2012 et Macky Sall de la coalition Macky 2012. Nous démarrons ce soir avec euh, le candidat Abdoulaye Wade qui a surtout effectué des visites à des chefs religieux à Dakar et à Durbel, chez Serigne Amdi Hadifal, chez Serigne Amdi Modoumendafal et enfin chez Serigne Atir Mbake pour Durbel. À Dakar, il a été voir le cardinal Adrien Sar. Euh, je voudrais vous remercier de m'accueillir euh, ici à votre domicile. Déjà pendant euh, euh, le premier scrutin des élections, j'avais demandé à vous rendre visite et vous m'avez offert l'occasion de rencontrer les évêques. Je viens encore pour ce deuxième scrutin solliciter vos prières, vos prières pour nous tous, pour notre Sénégal, pour que ce scrutin se déroule de la même façon que le premier, c'est-à-dire démocratiquement, de façon transparente, que le décompte soit fait en présence des représentants des candidats jusqu'à la proclamation du résultat et que tout se passe de manière calme. Il n'a pas besoin de violence. J'ai préféré venir moi-même, pour confirmer cette volonté d'obtenir de, de vous des prières pour que ce scrutin c'est de nous dans le calme. Que les résultats soient propres que chacun accepte ce résultat. Et que nous puissions aujourd'hui, les élections sont derrière nous, nous allons continuer à travailler entre Sénégalais pour le Sénégal. bokk yoon dafa wax ni bu loolu wéyee dañuy jël ñaar ñi jiitu ñu def élection raw gàddu ci loolu laa nekk yàlla dimbale dimbale na ba nga xam seen ñaan ak ñi ma jàppale ba man maa jiitu ñaar ñi nga xam ni ñu raw gàddu sax nag jàlluma ci premier tour bi nga xam ne ñi wotewul moom a gaañ moitié Sénégal yi wotewul li ma ci moitié bu njëkk bi su ma amoon genn waayam ci moitié bu mujj bi bii ko ma gaañ kon nag li ma dese ma gaañ dara

di soxla ma di dund ma ñëw fi ma la ma ñàkk xam naa loolu. kon nag damaa ñëw fi ma war a ñëw. boo xam ni. li eh, ma bëgg rek li ma bëgg mën naa ko fa am. comme ni ma la ko wax soxla ma bu ma soxla ma di fi am tàggu ma doon gisuma la joxuma la dara defaluma la dara. lu dul nga xam li tax yàlla jox ma parti li tax yàlla teg ma ci yoonu Sénégal ci boppu Sénégal li tax yàlla. Eh, moo coow ñu di ko ñaan ma eggale suma liggéey incha allah man du question bureau de question liggéey la mën ngaa dem fu la neen dana fii danaa fi toog naa nga mën naa man du loolu dafa am liggéey mission bu may def waaw loolu laa war a def ba mu sotti bu mu këng ma jox ko seeni borom dem loolu nag ci laa nekk li ma ci liggéey bi euh, yaakaar naa ne aussi li ma jàpp yëpp dañ ci war a kontaan def naa li ñuy waxal def na saabu du fekk boppam soxla na di ko ñëpp gis na ko kon jàmbur yi sax ñoo koy wax li am solo daal mooy fi ñu toll liggéey naa sept ans cinq ans moom douze ans léegi euh, sama liggéey euh, projet yu mag yi sottiwul te bu ma ko bàyyi amul kenn ci Sénégal ku ko mën a yeggale amul amul ku ma mën a doon la

ma damay ñaan yàlla rek ba dem ba sama gestion ni ma ko programmé mu jeex incha allah ku ma fi jiitu doo am benn problème du ma la bàyyi benn problème ay euh, réalisation laa lay bàyyal incha allah ay réalisation yoo xam ne dama ko def mu ne fang mm-hmm. mais ñaan yàlla pour Sénégal daal euh, Après le candidat Boulaïwa déplace maintenant au candidat Macky Sall de la coalition Macky 2012, il a lui donné un meeting à la place de l'obélisque. soon he le pays, nous ne voulons pas le détruire. Mais nous ferons face contre toute tentative de bloquer la volonté populaire le 25 mars. Je n'accepterai pas, en tant que candidat du peuple, choisi par le peuple, que quelque section que ce soit veuille utiliser la supercherie, la corruption pour fausser le jeu démocratique et le choix populaire. Nous allons reconstruire ensemble le Sénégal avec vous, avec tous les patriotes. Nous mettrons un terme aux injustices sociales. Nous mettrons un terme à la gabégie, à la corruption qui est érigée en système de gouvernance. Nous mettrons les ressources de ce pays à la disposition des populations, à la disposition de l'école sénégalaise, de la santé. Nous travaillerons pour le peuple. Alors, je sais et je suis au courant de toutes leurs manigances, de tout ce qu'ils essayent minute par minute, j'ai les comptes rendus. Mais cela ne m'effraie guère. Au contraire, ça m'amuse. Cela m'amuse. S'ils pensent qu'ils peuvent arrêter cette déferlante populaire, ils n'ont qu'à essayer. De toute façon, ils ne diront pas qu'ils n'ont pas été avertis. Un homme averti en vaut au moins deux, sinon plusieurs. Nous sommes engagés en tant que patriotes à servir ce pays. Nous ne sommes pas venus pour l'argent. Nous ne sommes pas venus pour le sinecure. C'est pourquoi nous ferons les ruptures nécessaires pour que le Sénégal redevienne une démocratie moderne et populaire. Alors, ils ont décidé de faire une campagne de calomnie contre ma personne. Ils perdent leur temps. Malgré tout ce qu'ils ont fait depuis 2008, le peuple a donné une indication très claire. Alors toutes ces manigances, toutes cette calomnie, vous savez, j'ai entendu dire par les gens du palais que oui, Macky Sall est le candidat des Blancs. De quel Blanc Il devait avoir honte de parler comme ça. Moi, je ne suis le candidat que du peuple sénégalais. Je suis un homme libre. Je ne suis l'otage d'aucun groupe de pression, l'otage d'aucune puissance étrangère. Je suis un citoyen sénégalais engagé pour la cause nationale. Et j'ai compris très tôt que c'est le peuple qui donne le pouvoir par la volonté de Dieu. Et c'est aux Sénégalais que j'ai parlé. C'est à eux que je rendrai des comptes. Alors, s'il vous plaît, soyez de bons perdants. Et puis vous allez apprendre encore à être des opposants. À la jeunesse sénégalaise, je voudrais dire que je mesure le poids de vos espérances. Je lis à travers vos regards l'espoir placé à ma personne. Je souhaite ne jamais la décevoir. Je m'engage avec ces leaders avec les Sénégalais d'ici et de la diaspora, avec vous les femmes sénégalaises. Je m'engage avec toute la jeunesse à transformer positivement notre pays et nous le pouvons. Ensemble donc pour reconstruire ce pays. Ensemble pour ouvrir une page nouvelle de l'histoire du Sénégal. mbokk yi rek ndax suñu borom moo dogal tey ci bëgg-bëggam ma incarné espoir bi nga xam ne tey peuple bi bëgg changement te wane ko keroog le 26 février peuple boobu yëpp tey suñu borom dajale na ko def ko benn say ñu ne man la ñuy jiital ma nekk seen mbër loolu rek doy na sant yàlla kon maa ngi leen di gërëm. di leen xamal ni mun de yéene la ñu am pour servir suñu réew waaye na leen bir ne bés bu ñu yàlla tegee ci bopp réew mi man de ñàkkuma ay conseillers yu baax ñàkkuma ay mag ñu xam état xam senegal xam bëgg-bëgg askan wi te dara taxu leen jóg lu dul servir seen askan ak seen réew kon nag li des mooy mobilisation na ñëpp jóg taxaw. li des bareetul fukki fan ak ñeent Sénégal moomaat boppam ñu def plan anti foqarti parce que ñoom gañe nañu leen ba pare jeunesse bi taxaw jigéen ñi taxaw askan wi taxaw yàlla may ñu ndam ñu nit ñu gore delloo leen njukkal liggéeyal leen ba Sénégal moomaat boppam maa ngi leen di sant. Voilà, c'est la fin de ce journal de la campagne. Je vous retrouve demain pour une autre édition. Bonne fin de soirée à tous.